auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue sur ce numéro de votre émission Les Niger sur Kalangu, que vous écoutez chaque jour en direct sur les ondes de nos radios partenaires à partir de 11h. Pour la présentation de ce jour, vous serez à ma compagnie Habiba Ahmed et à mes côtés Samira Rouafi. Bonjour Samira. J'espère que tu es en pleine forme ce matin. Alhamdulillah, Habiba, tout va bien. La technique d'aujourd'hui est assurée par Seni Isaka et Fanta Shamsou et à l'édition. Dis-moi, quel est le menu d'aujourd'hui ah Samira, comme toujours avec les studios Kalangou, le menu est très riche. Nous allons débuter avec les flèches d'information et comme invité, nous recevons Mademoiselle Bassira Cheboutankari, une jeune entrepreneur qui va nous présenter son entreprise et ses activités. Nous aurons également la rubrique Écho des régions qui nous amène à Agadez. Il y aura aussi la rubrique Hebdo consacrée à l'environnement, la page sport, la culture linguistique du loti préparé par les femmes du studio Kalango, sans oublier une sélection musicale nigérienne pour accompagner cette émission et finir en beauté. Chers auditeurs, Chers auditeurs, c'est avec les flèches d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est présenté par Nafisa Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Habiba, bonjour Samira. Bonjour. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Sud Kalangou et bienvenue dans ce flash d'information. Dans un communiqué d'hier 12 septembre, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dénonce l'accord militaire du 11 juillet 2022 liant le Niger au Bénin. Selon le CNSP, les liens ancestraux qui lient le peuple du Niger au peuple frère du Bénin, devenus institutionnels ont facilité la signature d'un accord de coopération militaire entre les deux pays. Néanmoins, poursuit le communiqué, la République du Bénin a autorisé le stationnement des militaires, mercenaires et matériels de guerre dans la perspective d'une agression voulue par la France en collaboration avec certains pays de la CDAO contre le Niger. Le CNSP dénonce donc cet accord et une correspondance diplomatique sera adressée aux autorités béninoises conformément à la procédure à la matière. Le ministre d'État de l'Intérieur rapporte à la connaissance du public que les autorisations d'introduction, de détention et de port d'armes de tout calibre délivrées par son ministère sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Il est également interdit la vente et l'achat des tenues militaires ainsi que tout autre effet ou objet de sécurité dont l'usage est exclusivement réservé aux forces de défense et de sécurité. Enfin, les stations-service de Niamey et les localités théâtres de opérations militaires sont interdites de vendre plus de 2 bidons de 25 litres de carburant sous peine d'être poursuivis pour crimes et délits d'atteinte ou de complicité d'atteinte à la sécurité de l'État. L'autorité morale du Modène Faloumana Hamamadou est arrivée hier mardi 12 septembre à Niamey. Il avait séjourné en France pour raison de santé après sa condamnation au sortir des manifestations de contestation des résultats de l'élection présidentielle de février 2021. Il est depuis son arrivée sous consultation médicale dans un établissement sanitaire de la capitale où les visites sont limitées, rapporte à une source proche et relayée par nos médias. C'est la fin de ce flash d'information. Merci beaucoup Nafissa et à bientôt. Comme annoncé en début d'émission, nous sommes en compagnie de mademoiselle Basira Cheboutankari, une jeune entrepreneur qui se donne pour la réussite de son commerce. Bonjour Basira. Bonjour Habiba. Avant de vous donner la parole, marquons ensemble une pause musicale avec le titre Enfant de la patrie et on revient juste après. le pays, on vit pour nos enfants, on vit pour nos parents. Enfants de la patrie, on vit pour le pays, on vit pour la devise, on vit pour la couleur. Enfants de la patrie, enfants de la patrie. en train d'écouter, c'est un grand featuring qui a regroupé de nombreux artistes connus tels que Sefia, qui a à l'origine de ce feat Majesty Soul, Yakuba Moumouni Denke Denke et Nana du groupe Soga. Effectivement, dans cette chanson, les artistes rappellent le devoir envers le pays et pourquoi nous devons l'aimer et nous battre pour lui. On vous laisse finir d'apprécier. pays, prie pour ton pays, ne viens pas l'ennemi. Oh ah, ah. ils veulent détruire le pays, ne sois pas leur complice, à toi pour le pays. Oh ah, ah. Revenons à notre sujet. Rebonjour, Basira. Bonjour, Habiba. Alors, vous avez une licence en sciences politiques, relations internationales, mais également un master 1 en diplomatie et gestion du conflits. Vous avez un CV bien fourni, machallah. La première question qui me vient à l'esprit, pourquoi vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat euh, Je dirais tout simplement par passion. Entreprendre, c'est vraiment une passion pour moi, donc c'est par passion que j'entreprends. Hmm. Mm, super. Alors, euh, comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux activités C'est vraiment pas facile concilier travail et puis entreprendre parce que chacun a son temps. Mais mm-hmm. si on est vraiment déterminé, on peut le faire. Donc avec la détermination, j'ai su faire mon calendrier pour concilier les deux en même temps. Super. Vous êtes euh, euh, même dans l'entrepreneuriat, vous conciliez tout ce qui est accessoire, euh, trucs de beauté pour femmes. Pourquoi avez-vous fait ce choix Parce que vous êtes une femme ou bien c'est <laughs> elle qui en a plus besoin que les hommes Et hum, je dirais parce que je suis une femme, mais c'était pas venu comme ça. Mhm. J'ai rencontré des difficultés. Par exemple, personnellement, je connais pas très bien les marchés. Mhm. Je peux rentrer dans un marché déjà le grand marché, je me perds des fois Mhm. Mais je peux faire 5 heures de temps dans le marché sans pour autant avoir ce que je veux exactement. Donc je me suis assise, je me suis dit, mais attendez, est-ce qu'il y a des femmes qui traversent le même problème que moi mhm. À la fin, j'ai compris que oui, il y a des femmes qui traversent le même problème et il y a des gens qui n'ont vraiment pas le temps. Pour celles qui travaillent, tu sors de, du lundi au vendredi ou même samedi, mhm. de 8h à 18h, tu n'as pas le temps de d'aller au marché ou aller quelque part chercher ce que tu veux. Donc si tu peux avoir ça facilement en ligne. C'est vraiment super. Donc, c'était là que l'idée est sortie d'entreprendre et que ça soit une boutique en ligne. Ok. Est-ce que le terrain est moins exploité Avant, je dirais oui, mais maintenant, le terrain est très bien exploité. Il y a tellement de concurrence sur le marché, donc. Hum, ça a toujours été. Euh, ça, fait partie des difficultés. J'espère qu'on va en venir. Le nom de votre entreprise est Jaroma Space. Pourquoi ce titre Jaruma Espace parce que j'ai regardé. Disons, Jaruma, c'est un nom comme ça, mhm. qui veut dire héros. Mhm. Donc, j'ai regardé autour de moi. De nos jours, il y a tellement de femmes qui se battent pour euh, entreprendre. Il y a des femmes. La preuve est là, vous êtes là, les femmes. Donc, vous travaillez et tout. Donc, c'est vraiment pour faire honneur aux femmes, pour mhm. dire que voilà, on est des femmes battantes, on est vraiment des héroïnes. Donc c'était là l'idée. Basira, au départ, vous faites vos activités sur Internet. Comment cela a été possible et comment se faisait la vente La, la vente, c'était vraiment pas facile. Parce qu'avant, ici au Niger, on n'a pas l'idée de, des trucs en ligne. Mhm. Là, tu peux expliquer à la personne que c'est vraiment en ligne, mais la personne va dire Ah, j'aimerais passer. Mhm. Non, je veux voir l'article et tout. Mhm. Donc c'était vraiment compliqué de les trucs en ligne. Super. Alors, euh, euh, au départ, euh, vous avez fait ce choix, vous nous avez expliqué les raisons du pourquoi. Là, on va passer à la deuxième partie, mais bien avant, je propose qu'on fasse une pause en musique. Je vous propose le titre Mana Issa de Esirima Nokowa et on revient juste après. shi a sallah kamar shi albiran Allah tun kafin zama iya amina auren nan ko na dole ne tun da ma na isa Ya, dole cette chanson que nous sommes en train de kiffer c'est Esyari Manokowa qui la chante un chanteur en Hausa une langue qu'il maîtrise parfaitement il a d'abord commencé euh, avec les maisons de culture qu'on appelle communément les Samaria avec les danses avant de trouver son amour pour la chanson grâce à une jeune fille qu'il aimait profondément à l'époque comme il me l'avait confié à toi Habiba dans cette chanson, un titre sorti en janvier 2023, les chanteurs exigent d'être mariés car ils trouvent qu'il est temps de le faire. Une façon pour lui d'attirer l'attention de jeunes en âge de se marier de le faire pour éviter la débauche. daɗi akan daɗi aure ne. Tunda ni ma na isa. Da wanda ya yi ƙarin le titre Nimana Issa de Rima Nokowa. Alors, nous sommes de retour à l'antenne pour la seconde partie de notre discussion. Alors, Basira, depuis 2022, vous avez une entreprise physique. Pourquoi ces revirements Depuis 2022, parce que j'ai, je partais en mission des fois. Donc, mm. je suis dans des zones où vraiment la connexion n'est pas stable. Je n'ai pas une bonne connexion. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas créer mon entreprise, que ça mhm. soit vraiment physique. Mhm. L'idée était là, mais c'est en juin, j'étais pas vraiment prête. Mhm. Mais avec l'émission, j'ai réalisé que forcément, je dois, je dois mettre ça en place. Sinon, je vais pénaliser mes clientes ou bien au risque de les perdre. Donc, voilà, j'ai réfléchi, j'ai essayé de mettre en place la boutique. Même quand je suis pas là, les activités peuvent euh, continuer. Ah euh, est-ce que euh, tu as vu euh, un grand changement quand tu avais pris cette décision Les clients t'avaient apprécié cela Oui, elles avaient apprécié parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart n'ont pas ce truc de l'idée de, des boutiques en ligne. Mhm. Donc, une fois que l'idée, la boutique a été créée, elles mhm. étaient vraiment contentes de pouvoir passer, faire le choix. Parce que des fois, il y a des clients, tu veux vraiment acheter un parfum, mais quand tu viens sur place, tu peux prendre au-delà de ce que tu voulais au, au début. Exactement. exactement. Nous sommes des femmes, ça nous arrive souvent de rentrer et de prendre tout et n'importe quoi. Alors parlons des difficultés que tu as rencontrées pour euh, pouvoir déjà, depuis le commerce en ligne jusqu'à l'installation de ta boutique, par quelles difficultés es-tu passée La difficulté, c'est surtout les clientes. Mhm. C'est surtout les clientes. Des fois, la personne peut t'appeler pour te dire je veux telle, telle, telle chose. À la dernière minute, la personne te dit je veux plus. Des fois, le livreur peut se déplacer pour aller jusqu'à chez la personne. On t'appelle, tu sors pas. Tu fais plus signe. Tu t'excuses pas. C'est vraiment ce genre de difficultés que j'ai eu à rencontrer. C'est surtout avec les clientes. C'était vraiment pas facile avec les clientes. Quelle comparaison vous pouvez faire avec la jarre Ali Je dirais jarma physique est meilleure. Parce que vendre en ligne, c'était, c'était pas facile. Mais maintenant, une fois sur place, donc si je dois comparer Jarma en ligne et Jarma physique, je pense que Jarma physique vend plus que Jarma en ligne. Donc c'était finalement une très bonne décision. Bien sûr. <laughs> Alors, euh, vous, tout à l'heure, vous avez parlé des femmes qui ne décrochent pas quand elles commandent un truc. Maintenant, qu'est-ce que, quelles sont euh, les, les, choses, l'idée que tu as eue pour pouvoir éviter tout cela Ce que je veux dire, euh, c'est par exemple, vous ne prenez pas, j'ai vu d'habitude, il y a des commerçants qui prennent une partie de l'argent avant de pouvoir envoyer euh, le colis. Est-ce que tu, tu exiges un premier virement, un versement plutôt, avant de pouvoir livrer la personne Du moment où tu as un je ne peux pas exiger un une avance. Mhm. Je peux pas exiger. Donc, c'est une fois le livreur sur place, on paye à, la livraison. Mais à l'intérieur du pays, forcément, tu dois envoyer l'argent avant qu'on t'envoie, quand le, le, colis. Mais une fois à Niamey, on peut, je peux vraiment pas exiger. Parce que la personne va se dire, je suis à Niamey. Et le livreur va passer, donc pourquoi une avance ça. Maintenant, vu que la boutique, elle est physique, est-ce que tu engages d'autres personnes pour pouvoir t'aider vu que tu as d'autres occupations euh, Tu as créé des, euh, emplois euh, Oui, j'ai créé des emplois parce que j'ai mhm. une jeune fille qui s'occupe de la boutique quand je ne suis pas là. Mhm. il y a le livre. Mhm. Donc, c'est avec la création de la boutique, lui aussi, il a eu, je dirais même des livres. Ils ont eu aussi de quoi se, avoir un boulot. Ils ont un boulot aujourd'hui. Comment, vont les, comment vont les affaires maintenant je dirais ça va. Ça va, Ça va très bien. La clientèle, c'est bon. La clientèle, c'est bon. Ça va, j'arrive à vendre. J'arrive à me faire une place, en tout cas, sur le marché. Super. Beaucoup euh, de jeunes disent que l'entrepreneuriat est difficile, du coup, euh, ils n'arrivent pas à le faire. Est-ce que vous confirmez cela Je je peux pas confirmer ça. Pourquoi Parce que je dirais pas que c'est pas difficile, je dirais pas que c'est aussi facile. Mais du moment où on est passionné de ce qu'on fait, on voit vraiment pas la, difficulté. Personnellement, je ne dirais pas que l'entrepreneuriat est, difficile. Certes, dans toutes choses qu'on fait, il y a, a des problèmes. Mais du, si on est passionné, on va jusqu'au bout. Et toutes ces difficultés-là, pour moi, c'est on apprend. Mhm. C'est comme des leçons. Donc, plus on fait, plus on apprend. Ah, Super. Est-ce que vous avez des projets, à part euh, déjà la boutique qui est là, est-ce que vous avez des projets que vous voulez ajouter à la boutique ou bien que vous voulez créer en annexe avec ce que vous faites Avec la boutique, oui. C'est un processus. Je suis partie de l'idée de Jaroma Espace en ligne. Ensuite, euh, il y a Jaroma qui est là physiquement. Mhm. Maintenant, c'est des accessoires femmes tout ce qui est d'accessoires comme les parfums, les foulards, les bijoux, l'encens et tout. Avec le temps, j'envisage de, de, faire un salon de beauté. Mhm. sur, comme le nom indique, espace. Oui, un espace. Peut-être un atelier de couture. On sait jamais. Tes trucs sont uniquement, uniquement femmes. Pourquoi tu ne penses pas aux hommes Je pense aux hommes, mais pas tellement. Peut-être des parfums, oui. Mais je ne suis pas trop dans pour le moment. Mhm. Il se peut que j'envisage ça ah, aussi. D'accord. <laughs> Quel message pour le jeune, surtout diplômé, qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat <coughs> Dans l'entrepreneuriat Je dirais aux jeunes d'oser. Il faut vraiment oser. On ne peut pas s'asseoir dire que non, c'est difficile. Est-ce que tu as essayé pour savoir si c'est difficile Est-ce que tu as essayé pour savoir si c'est facile Donc, il faut oser. Il faut aller vivre ses passions. Il faut vraiment oser. C'est le seul conseil que, que je peux donner aux gens. En fait, c'est l'idée risque-là que, que, que, le jeune craint. quoi. Risque, est-ce que la personne a essayé pour savoir si ça peut marcher ou pas <laughs> Donc, on peut pas savoir. Tant qu'on ne le fait pas, on peut pas savoir. Mmh, Exactement. C'est vrai aussi quand on dit que quand, qui ne risque rien n'a rien. Voilà, donc il faut prendre des risques. <laughs> D'accord. Super, alors merci vraiment de nous avoir honorés de votre présence aujourd'hui au studio Kalango. Nous vous souhaitons de passer une agréable fin de journée. Merci, merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'était là nos échanges avec notre invité Habiba. Il est temps pour nous d'attaquer notre rubrique hebdomadaire. Oui, dans notre rubrique hebdo, nous allons parler de Moutari soleil un habitant d'État notre région des Zender. Sa principale activité est la production de diverses semences adoptées au sol de la zone, une activité qu'il a héritée de ses parents. Seulement, Habiba, il, faut, euh, il fait face à des défis euh, tels que le problème de conservation de certaines semences et le manque de moyens pour améliorer le rendement. Il est au micro de Maman Ada. shi irin wannan shifka na tanit wannan uwaye mu muka tarro suna yin aikin shi tun daga wannan lokacin da suka gwada mu shi muke tare da shi muke yin aikin shi muke huddawa kowane lokaci in yazo muna gama muna samun iri na ainihi muna huddawa irin akwai ankutas akwai tamangaji akwai hile akwai wani da muke ce ma sozat duka akwai su a ciki na ina ganin dawa ina ganin hatsi ina ganin wake miki bambancin waɗannan da suke gaban ka da saura wannan da kake ganin wannan shaddawa ce wannan ita ce babbada wannan ita kuma huhun dari ce wannan dawak shi wannan wake fa shi kuma wannan wake dan eka muke ce me muna da eka a gurin gona kanmu. na ne na hudush ni na raya shi na hudush wannan wannan kuma sababbasa ta ake ce me wannan kuma shi mai bakin hanci ake ce me wannan shi kuma ka gane shi haka haka daga hwalu tohon shi zaka gane shi baki kirin amma kuma gashi cikin shi haka yake amma kwata shi baka ce baki kirin eto eh miki bambancin wannan noma da irin da ake amfani da shi a nan tanit shin kasar tanit daban take da sauran yankunan Nijar eh kasar tanit kullun dama muna son mu same ku mu dan kwatanta muku mu kullun kasar tanit bambancin mu daban ne da na sauran gurare duka kayayyakin mu wannan in ka je kasa su a wani guri sai a samu matsala haka masu shi. shuka suke gaya mu amma mu kuma nan gurin a kullun in muka je muka ɗauko iri na gusum in muka zo ma sai ya sauya kuma ya koma wani iri daban tana da bambamci kwarai shine kullun muke samun tsakanin mu ma da mutane makiyaya masu zawwa mu namu san hi ne ke tahiya mu haka ruwan sai an yi ruwan shibka an ida yanzu kaga wannan waken duka wannan kayakin namu hatsi wanda yana hutawa da shi da dawa amma in ruwa na bugun su da hatsi da dawa in ruwa na bugun su to sai su rika yin baki amma in ruwa ya tsaya sai ka gane su sun hutu da kyau haka haka da wannan haka shi kuma wake wannan san ma bai yin diya mu maka sa shi a nan cikin tanit san bai yin diya ma da daga an yi ruwa kuma ko ya fara diya sai ya tsaya sai ruwa ya tsaya kuma yake fara ya eh, to yanzu abin da nake so shin waɗannan ya kuke adanin su adanin shi wannan dama daga kaka ta yi ni mai huda iri ne ko da yaushe ina da tanadin iri kullum yin iri nake yi ina tanadin shi ina huda shi kullum shekara in ta yi muda mu aikin mu kenan yanzu waɗanne matsaloli ne kuke da na adanansu to bisa kan adanansu yanzu ai ka gane su ma wani bi sai mun samu leda in muna so mu saida ma mutane mu ajiye wanda mutane zai su rika kira mu su ce ina iri. sai mun samu ledodi na yin aikin mun zo mun yi tanadin su mun zo mun aji wani bi sai mun samu tano kamar su wake wannan sai mu samu tano amma Allah sa to da dawa da hatsi wannan su ba su komi amma kamar su wake wannan su suke da matsala su ne mun ne mu tanadin ledodi ko tano mu sa su kamar shi wake muna sa shi nuna da leda muna sa shi eh, ya an san da a wannan kasa ta mutan jihar akwai wasu hukumomi da suke kula da harkar noma kamar inran da ikrizat duka shin kuna da wata hulɗa tare da su a game da wannan kula da iri da ake amfani da shi a cikin gonakin to wallahi ni saboda Allah da annabi ina zuwa hafuwar salon ina zuwa amma Allah sa bai taba cin katari ba suna zawa su mu tambayoyi su ce zan mu neme ku samu shi lambobin mu na salula amma to Allah sa yanzu ba mu shi ba dai nasara yanzu duk wannan fice da kai a game da kula da wannan iri da kake da har yanzu baka taba aiki tare da su ba har yanzu ban taba aiki tare da su ba amma duk shekara wannan in na tafi duk kayana wannan in na kai bani komowa da komi he da buhunna in na tafiya me komi amma su mu ta taba mu kai katari da su ba ko wani kanan mu nan gurin na nan garin ne kullun in yazo shi ma a can yake inira to wallahi Allah sa dai in yazo ma ya taba mana magana ma har na gogoda mai wa'annan kai aikin to Allah sa dai har yanzu mu ne ba ka taba samun taimako ba daga wajen hukumomi a game da wannan aiki naka to wallahi ban taba samu ba ban taba samun taimako ba to aika umma ya suka zo ana dauka wannan inji naka a gwada da ba zan ma zo wani su ne gwada gwagwada mashi ni aka je aka nemo ni ina gona aka je aka kira yuni na zo na kawo wannan kayayyakin mu yanzu kaga kasa ta wannan Allah ya taimake mu mun samu kamar meri lokacin nan lokacin nan ta kawo mu jirgi na dankaro da yake yin noma da yake yin noma to wannan noman da da yake wani bi yana samu ana tattada mu ƙasa muna samun ɗan tallafi daga wajen su na suna sawa haya to he kai wani lokaci kuma sai Allah sa jirgin ya tsaya mu taimakon da muke nema kamar muka samu irin wannan jirgin ko haya ce za a bamu ko kuma a bamu shi lokaci a yi kiran mu a zo a ce ga lokacin abin da zan mu rika zubawa so dai zamanin da uwayen mu an taba ba su amalanki ta sa da ta jiki kuma har da haiwaye yanzu ma haiwayen suna cikin nan gurin to tun wancan zamanin na ERC to mu rabin rabin mu da dai taimako wannan wanda za a kira mu a bamu Allah sa wata rana taimako ya zo kanmu kana samun amfani a ina samun amfani ina samun amfani to wannan sana'a taka eh. akwai wanda za su kula da ita magada akwai magada akwai wani bin haka yi sussuka wani bin gidan ma gaba ɗaya muke gama mu da da yara iyana da jikokina sai mu gagamu mu gyaggyara kamar mafi yawa an zuma ta yi salon zuma ta yi fuwar muna shishire komi da komi mai kiran su a dan su salame su kaɗan da yara da jikokin mu ana gamuwa ana da mata ana gamuwa a yi aiki mai kyau saboda an aka je can a huta kumya Merci Maman Ada pour ce reportage très instructif. Bye bye. Une autre tournée euh, musicale à Biba pour nos chers euh, auditeurs. Voici euh, pour vous le titre Hakuri de Abel Zamani. one when you born say the man can him online fatara ونير ما باكره يركل my باكره Zamani sort ses titres que nous venons d'écouter. La musique, il l'a découverte avec son papa, un des artistes du groupe Tendiste de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Aujourd'hui, il fait la fierté de toute une génération. Exactement, un titre plein de rebondissements, les sons, les rythmes et les mots. Notre artiste sait les manier à merveille, notamment en sachant mélanger tradition et modernisme, une alliance qu'il sait faire à la perfection. Comme tous les artistes, il rêve d'une belle carrière musicale. Bonne chance à lui. À présent, on passe à l'écho des régions, Habiba. Oui, Samira, aujourd'hui dans la rubrique écho des régions, nous allons à Agadez à la découverte des Nazirs Niger un jeune chanteur qui a commencé sa carrière à l'âge de 18 ans. En effet, Nazir Ahmed euh, est un jeune originaire de Tessawa, plus connu sous le nom d'artiste Nazir Niger. Il est aussi réalisateur de films, une carrière qu'il a débutée à l'âge de 18 ans à Abuja, au Nigeria. Le reportage est signé Ahmed Félin. Nazir Niger a commencé à gagner sa vie en tant qu'artiste en 2013 à Agadez, où il a ouvert son studio appelé Rissala. Malgré son amour et son engagement dans son domaine, les jeunes rencontrent des difficultés comme le manque de matériel technique pour réaliser ses activités. Nazir Niger explique son travail. eh ni aiki na harka kiɗa da waka ne mawaki ne na hausa eh da kuma bidiyoyi na kallo har fim ma da sauransu duka ana tattaɓa ana yi kamar na taso da san abin ne sosai abin na cikin raina eh lalle ni haifafan Nijar ne an asalin Nijar ne amma a lokacin ba zan manta ba ina da shekara kamar 18 sai na fita kuma na je Abuja kenan a can Abuja can ne na fara shiga studio na fara harkoki eh na haɗu da wani abokina eh a can Abuja to na sami shi na harkar waka sosai to ina ce gaskiya ni ma ina so in shiga wannan lamarin akan waka eh, yake kwatanta mana eh lalle lalle zan iya tunda abu ne wanda na taso tun ina son shi daga yarinta haka dai in dan yi wata zubin a gyara mun dai haka haka dai har wata rana Allah ya waye gari tashi muka je studio da shi aka kuma raira waka lafiya lau alhamdulillah akwai matsaloli dai misali dai kamar a ce na rashin kamar irin tallafi haka da ake fama da shi mafi yawa ma kamar misali a ce kamar na kasar mu Nijar ba kowa bane ba kake ganin ya amshi irin wannan ayyuka haka sosai saboda mu har ga Allah waka ce muke yi duk wakar da muka ce yau mun fitar in Allah za ka tsaka surare ta a ma kawai za iya sami ita ya saurare ta da kyau babu wani zagin wani ko kuma magana wata ta gari hukuni wadda za ta rushe tarbiyya a sosai alhamdulillah gaskiya tunda da shi nake ci nake sha sutura alhamdulillah kuma gida ana alfahari da gaskiya na samu karbuwa da dai gwargwado a wurin mutane sosai a aka ce kamar malamai ma masu karantar da alkur'ani suna fuskantar kalubale a game da su barantama wanda aka ce waka ce zai tsaye kalubale eh, kam gaskiya ana fuskanta sai dai sha Allahu in ya taso ba ma ba ma duba eh, saboda kasan duk abin da zaka yi a rayuwa sai ka fuskanci irin wannan akwai album ɗina wanda na tsara wanda mai yana sunan da sanki a raina sunan album ɗin ya kunshi waƙoƙi guda bakwai a ciki album ne ya kunshi waƙoƙi akwai nasiya akwai soyayya da kun faɗakarwa to gaskiya bayanan da zan iya faɗi akan matasa abokai na gaskiya a nemi sana'a eh ko da yankan face ake yau a san ka dai wannan sana'ar ka insha Allah za ka ga ci gaba a cikin lamarin sana'a kuma an san cewa da an ganka da abu an san cewa kana da sana'a ba wai zuwa kai ka samu shi wani guri Habib Rikma est un caméraman, c'est aussi un ami de Nazir qui apprécie le travail de Nazir. shi dai nazir ya kasance yanzu aboki a tare da ni kuma dalilin da ya sama na san shi a dalilin wannan aiki na san shi saboda na ga wata wakan shi na gani ya burge ni haka sai kuma dalilin wannan waka kuma sai dalilin wani aboki na kuma ya sana muka samu muka yi jetuwa da ni da shi kuma na je wurin aikin shi na je na gani da ido na ga naunin ni ba shi ba kuma ma ya aiki tare da shi saboda ya iya aiki kuma ni da kai na ma a yanzu ma muna cikin program na zamu ci gaba da aiki tare aikin nazur karɓaɓɓe ne ya karɓi a wajen mu ya karɓi a wurin jama'a kuma yana ƙara samun karbuwa. Gali Musa indique également le bon travail de Nazir, qui est apprécié par la population de Chirozérine. eh mutane gaskiya suna yaba sosai sosai ke yabawa da shi yana yin waƙoƙi kuma harka fina-finan ma ana kwatantawa nan tattabawa su ma dai a yajima yana yi bayo bai fara yajima da yana yin wannan tun da ya fi shekara goma yana yin waka mutane suna yaba sosai gaskiya muna alfahari da shi musamman garin gana ciro Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Après ce reportage en région, on passe au sport à présent avec notre chroniqueur sportif Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Mira. Avec quoi allons-nous débuter cette page sport eh bien, alors, c'est officiel, Camino Dauda est nommé au poste d'entraîneur adjoint de l'équipe U19 du Coton Sport de Garoua. Rappelons qu'il est arrivé en janvier 2006, l'ex-international euh, nigérien âgé de 35 ans prend sa retraite après 17 ans de carrière à Garoua, ce qui lui vaut cette nomination. On lui souhaite alors bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Adam, restons toujours au Cameroun où les Lions indomptables ont décroché leur billet à la dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2023 face au Burundi. Effectivement, à Biba, le match tant attendu par l'ensemble des amateurs du foot africain, malgré le doute qui était installé dans la tanière des Lions, après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les Lions indomptables du Cameroun ont pu décrocher le dernier billet qui restait pour la Cannes en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Le résultat du match est de 3 buts à 0 en faveur du Cameroun. Super. Adam, à présent, euh, quel est le nombre des pays qui prendront part à ce, très, ce très grand rendez-vous euh, africain Eh bien, 24 pays seront attendus à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On ne pourrait pas citer la liste, toute la liste. D'ailleurs, D'ailleurs, vous pourrez vous pourrez lire un article qui sera détaillé sur le site du studio Kalangu. Mais sachez que cette canne promet du beau spectacle car tous les grands seront de la partie. Adam, changeons de registre. Parlons à présent du 50e championnat du monde des pétanques. Oui, débuté le 8 septembre au Bénin et prendra fin le 17 septembre. Pour rappel, le Niger aussi prend part à ce championnat du monde de pétanque et nous y reviendrons sur les parcours de l'équipe locale. Mais à présent, parlons de la bonne performance du pays organisateur, à savoir le Bénin, qui hier est entré dans l'histoire de la pétanque en décrochant une médaille d'or en doublette mixte face à la France et devient champion du monde pour la première fois de son histoire. Eh bien, Mira, c'est la fin de cette chronique. Euh, au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci, beaucoup Adam pour ces informations sportives. Habiba, à présent, après ce sport, allons à la découverte de notre star du jour euh, dans la rubrique portrait. Oui, Samira, il s'agit de Mohamed Issa, un jeune handicapé qui, malgré son handicap, est parti en exode à la recherche d'une vie meilleure. Après son aventure, il est revenu au Berkay avec une idée, celle de créer son propre restaurant. Aujourd'hui, il se vient à ses besoins, euh, s'entendre la main. Muhammad Isa kan ne sani hanci baban yan salo futta ji lebu kweno ji waran a yi jagon da taci a cewa kala to kolez no din arlit banda an gana fatar lokol senkiyam ka koi ceci yan algeri Muhammad hanci ye ka kafu yan wabanda no aningan wari fu feri kan sai gine restoran rahusa nan na furta jihin zagwai irin wanga nasi lalle na yi karatun ai kyau lokol ai to san kyam gano ai lokalo ne no ai mu windi ai kwa sama ka kara aljeri kan ai koi aljeri no ai go restoran nan gudai kan igan warite ai don don ai wani godin gun wani gano ye kafu nijar ai dai bora kan dai drawodin astesi gano ai goro ai lundo jarga ai na restoran feri da noru kaina kan ai dugu fun aljeri zan kinza izinu ya goyise ikura igi bana igodu nge menwaru idris musu go futa je kayan go goy muhammad isa ka ne hanci baba yan salo wa restaurant wadora dora a da dirse gora kan ga dinge mai gidayen gogati na kai agi hinza Eh, kan aigwa bande zar suwani karagir faman barkan irga goida karson hay kurka jingirte norgati ba asino irgirte sandide agunu gono agir bana girbana barkan himanda kan bisa zambar iddu dukur wani dintun a girno noru kirgawi subara eh, kin da zamu kashi da sayaka mutuno da koi gogidi mamad isa restaurant won ware ga ibrahim mamman go bore kan gidi ya ga zaga yarra irin hanganasi gaskiya shekaru cimi jire ba kirgo charbande ai kurma mun bay gir margu kar gomni alwati gon kan ne kunni sidu restaurant am toni se gur ta ciwol gurugu de de ni kamu nan kurkan nigo nigdu ngwari hannu an waru ga kan alhamdulillah nan go alhamdulillah wurin ga futtaji lebu ko kan war tawci te go gajin da alit futtaje ga fanda aljeri ko gici ce mu yawanci matasan alit futtaji bobu na gabi nono tarela bera ko ga cici ibayan kurkan go gidira go ga tabi daino isigdu haikuru agi manda futtaje dini imatun ga kai ga goice ci lebu C'était là le portrait de Motari Abdoulaye rendu au studio par Moussa Hassan. À présent, euh, c'était euh, le portrait, je viens de le dire, chers auditeurs, faisons une dernière tournée à musique avec le titre Dango de Saad Euh, des programmes du studio Kalangu. Si vous venez de nous prendre en cours, c'était Dongo de Saad Bori Habiba. Voyons ce que les femmes du studio Kalangu nous proposent comme loti aujourd'hui. Oui, Samira, les lotis de l'équipe femme du studio Kalangu de ce mercredi portent sur la télévision, qui est un bon moyen de divertissement pour les enfants. Cependant, il ne faut pas en abuser. C'est ce sujet qui est évoqué ce matin dans le loti du jour. Écoutons plutôt cet échange entre femmes. Loti, loti, Hai Samira, tela din wese wasi wasi. Eni mir ka bani bafuna din kul tela ganda zari sifunu wat kul tele gunen ir awasa. salamu alaikum hey mamu bani kan go so bai kat ko ciyo ga yakini ai go hal window me ai go manisi wal bai na ga bogai sai non go sala ai no buli zan kai wo dai no ba ga yalo maro jagendi hai kunni si ga hansa window ra kal tele gunya ba dai bora mutun ga kagun wari keke han foyan bora stun television wo maga gun dai ga dai kwar samira hai ga hima nigi ne mu zugantaize kal dai ni mu hin su zamani zan kai wani singi gangi tele gunyan fa to gunme bani ga bani mi don ton buti kodo hadde mun tuntungu ko ga tele ko mon ka ikan bairano wannim tela dai kwata kota isi mani se a ya dinga mamu nim da bari bar mai zam tele gunyanwo da ba gumo a ga hinga kan di sandai bora ga banu do haga son ka binde zan kai wani bafuna do hari ha babuli ya dinga ni go faman dai sai ka ga hinga bora lutandi wala ma danandi ni lakkalo kanandi mamu dan matkan be ko nai woni ki ag hinga kande sandai iwan bafuna do haga sonk binde kina do haga da mo kai lakkalai do haga kan yamman manto giri hinza ifo no ni gogo faman da sai koi ne mahangana bor koi ne mamu furta jai do haga wo nigidi tela gunyan wodin da bagumu agi kabin bu in poi fora inga chalega wa to kulin gai hinne isi ba fa ka gai modin gai haigaye gi himanda da mo koi ne iwan chawo isati ambuge inga iwa haikan nisa kula daigati tela din guni yau oho nigi chumbo buli zamai kwara samira da chat hal composition wodin ga aga bisa ai go gai bon ha bo hai kan doko ko tuyo ha ni woni mbono ni izo dan tele gunyan yaki ni ni ma ga kinga fa kare dano wal mo manan am ko a wan chal wanda yayi im kinga fore son ni go fa man dai se kan ya dinga wani masal bambata no ai kan me kalba television wadi no ganan am furcha lai jine zama han fuan da ka ginga faransi ci ni bambata bata fuan ta se ai wo ai si ba fa mai ka ga nai se han foya a dai kan son woni ni bai dini bombumboda ni hima ga da bar samuwa wasi ai wo han foyan ai kwara aina telawi ai wan izo ismail a kafurai se fura da futai da katikatiyan haikan sai na telawi abin da lokacin kina a saban da kan a wani hasai lokacin fugai kwara inga dai nuna ino ya marya matakai himagati abin so son zan kai dai walla alhamdulillah igin gai furai te haifai fam gin se chogo ido nuga bagai wana kobai vitare e bagu da baliyan <laughs> nde mataloni te faman dai sai me buli he son kunnoni na hanya hanu teni ni hanni gina ni izai mu kaso bai gugwar te lagini duba ga hamzin yan diyan nan gu kwande hadda kanisi aga bisa ibon ai fer tonton iga ham bano mu gubori son daboro kulgo ni se ingono ni go ga faida yim diga kati ka tai bonse yakin cine hanfo kalai bino mu koi kai patiga funga kan ai mu buyi mu koi ga sambu furu de son kwar samira ga hanga nai se mu a ya dinga mamu ka deni min zaka hau buri har dai duk kociya manto giri hinza masta amte tele ba a to mo ka a himga tela guni ma bai si jirkan yan a himga gun tela ga da lokaci kan a himga dan si jiro gun yan oga danga dai amsi bisa gugu hinka yankin noya nimcin ga lakkal da mu ga gun gadi tela ganda ni kan buwa do haka zami ga dan giri mar kan cinno bora himga si jiga din gune amman ban kwai ne din si ba mu amsi jir fo gune nigi hinga kwadi da ngaga kan ga na ngam ne gune wankan sigi ne control pa faran talo noya a ah, buli wo kan ga hantum ganda kan go kurkuto da raki ga dan bore kan manto jiru wai go koi jiru wai cin hinka filmai ganda ai mo go kai bon haifo sai ni go gadan ai si bai me haifo bore kan yan manto jiru wakin idu da jiru wakin da haku boda i wanai gono amma dai halka son i manto wadin gabo aha son nai faham buli son dai faham ga internet to bumbo ai go hinga su bana se k'a ga hinga te abun wala son kunno ni faham mamu to ai man ne wokai samira a ga targa yarda amma dai nimsta dai amiga wani kwasa din dangin mu dabal he buli na nai fundo fa ba zahun kuna inga na gice ciga masalawo gonza. ai sihin walla ai zai mu koi tai sai tugga windowa. a to a ga bisa Chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Moussa Hassan pour la culture linguistique en langue zarma et en français. Le mot du jour est embargo. Bonjour Moussa. Bonjour Abiba, bonjour Samira. Effectivement, le mot du jour aujourd'hui c'est embargo. Embargo qui est un terme qui peut être employé pour désigner plusieurs situations, comme par exemple interdiction aux navires marchands de sortir d'un port ou encore une mesure administrative ou militaire visant à empêcher la libre circulation d'une marchandise ou d'un objet. C'est donc une sanction de nature économique qui peut être prise à l'encontre d'un État. Il consiste à restreindre ou empêcher certaines importations ou exportations de cet État. L'impression, euh, la pression économique ainsi exercée vise à contraindre l'État à respecter les engagements auxquels il a souscrit à l'international. Et c'est ainsi donc que dès le XVIIIe siècle, l'embargo était un moyen pour régler les rivalités commerciales entre les grandes puissances. C'est-à-dire que les États considéraient l'embargo comme une mesure annonciatrice, de guerre qui se prolongeait souvent par un blocus total. De l'embargo, on passe au blocus pour empêcher toutes sortes de commerce avec euh, l'État visé. Donc l'embargo est un moyen d'interrompre les exportations, en un mot. Donc euh, pour revenir aux armes, embargo, quand c'est... irgine takunkum ki gidan labuga kalmezi zino kanga ga furo sanda kalmai zino kan igin sambuka e, mele yan kango teku me te sam kasi gine por fora mhm. imi ganji Ou walumu sarusu tira kai iga ka tare wala so tare wani kayan garan haikul kan giti fatawci labu igite da labu fu mhm. ima ganji ya ninga labu din fatawci fande kulu ini dabu noya ya ga dukka yamno ngumu arzak fonda do hare kai igi sambu labu fu bon ka labu din ganji am jine ka tare wali mi jine dangara kan ganan kan kamodin din labu labo gu furda sig fatawci din te amna labu mi yega ka wafu kai fonde kanga an kamba da kai ndun ya labar cer ma fondara amiye ka wafu kai ni mo ga nga ci tame ni kulu am tuni bon ya nga kalma zumo no kam manti sono isitin goda za dila sabu jir zangu yin kana banda an bar godin labu gabi ko ne igata ngir cer gamara amma labu hinka gabi ko ninga no gata ngir cer gamara wati din cine da sintirmo igini konda jin zai gate da jine foyan ka su ban bon kalima tir jine kul kalima labo dini kawa ni kawani kan haikus furara haikus fatara kan banda wongu noga wongu noga ka nge wo wate dina mbar gadin sintin borega be kan facet wongu ko banda yani nga sanda mat kan cinai alhali kan igingine ni jella bogo irme cinobo ambar gorana ko <laughs> to han fo ya musa san fa kare ga irga ma bogo igini filanu a godan isi ambogo ingin bodi na gomi la walmo sani zan dai no kan fuga bore sanna kal me ziyan no kan bore san buka dan ago dai san bargo gati a ge ganji haifu kan inda ga don gati an hadin dumbu da fakare no an dan bargo asik fakare dai wala irgin kene kunyan do wanda fo jina do hare kambo dana bargo dan ga zabara wala ama gayi kadi hala talo kan sai agoga ce ga yega ka talo bo an bargo da yawa kul dai im tilasandi ni ma fondo fo ganno kan ni ma gana ni boyira amma dina wonji igin tilasa ni ma gana Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma ou en tamashek ou même en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser euh, un message ou un vocal au 82 89 89 64. Donc, euh, on se dit à demain pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir tenus compagnie, chers auditeurs. À bientôt.